forum du studio the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum du studio Kalamgou the forum the forum, du studio Kalamgou Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu au micro Nefis Adamou Sirfo. Le forum du studio Kalangu reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Vous pouvez désormais écouter les forums en langue nationale à travers nos 31 radios partenaires dans toutes les régions du pays. Le samedi, le forum à Hausa à partir de 17h15 et le dimanche, le forum en Zerma à la même heure également. Dans le forum de ce soir, nous allons parler santé. Nous allons aborder la question des fibromes utérins et des kystes ovariens et mammaires. Comment les spécialistes de la santé définissent les fibromes et les kystes Combien de types de fibromes et de kystes existent-ils Quelles sont leurs origines, leurs symptômes et traitements Quels sont les plus fréquents chez une personne et quelles sont les personnes à risque Comment les femmes à qui on les a enlevés se, portent actuellement Que deviennent les fibromes et les kystes enlevés sur une personne Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons dans ce studio M. Lawali Shekaraou Mahamadou Moudi. Il est le chef service de la gynécologie et cancérologie à la maternité centrale de Niamey. Bonsoir à vous. Bonsoir euh, Nafisa. Et vous entendrez en interview une patiente à qui on a levé les fibromes euh, plus tard. Docteur Moudi, merci une fois de plus d'être venu. Veuillez d'abord euh, vous présenter à nos chers auditeurs et auditrices et nous parler brièvement de votre fonction. Je vous remercie euh, de m'avoir invité dans votre studio pour parler donc du cas de fibromes utérins. je me nomme, comme vous l'avez dit, Docteur Laoli Shekarao Mahamadou. Donc, je suis gynécologue obstétricien et chef de service de service de gynécologie obstétrique au niveau de la maternité Isaac Gazobi de de Brièvement, ma mission première, c'est de sauver des femmes, comme euh, tous les gynécos. Donc, euh, sauver des femmes et soulager des femmes aussi, à travers la prise en charge euh, donc, des pathologies gynécologiques. Et sauver les femmes à travers donc, les complications obstétricales qu'elles présentent et les césariennes qui interviennent. Et comme je le disais plus haut, nous allons parler dans ce forum des fibromes et des kystes. Nous allons d'abord commencer par la question euh, des fibromes. Docteur, euh, comment vous définissez un fibrome Bon, techniquement, pour parler euh, la définition du, du fibrome, c'est une expression myométriale d'une hyperestrogénémie locale ça, c'est technique. Ça veut dire que euh, les estrogènes, quand même, interviennent dans le développement donc, des, fibromes. C'est une masse en termes terre à terre, donc, qui se développe au niveau de l'utérus, donc au dépens soit de la muqueuse, du muscle ou de la séreuse. Et donc, euh, docteur, combien de types euh, de fibromes il existe Bon, les fibromes, il y a un seul type de fibrome. Dès qu'on dit fibrome, donc c'est un seul type de fibrome. Euh, par rapport à la localisation de fibromes, donc on peut parler de fibromes euh, donc euh, qui se développent au dépens du muscle, des fibromes sous-séreux, donc qui se développent donc euh, toujours au niveau de l'utérus, mais qui ont un développement à partir donc de la séreuse du, de l'utérus. Et il y a des fibromes qui se développent à partir de la muqueuse interne donc de l'utérus, donc qui ont un développement interne qu'on appelle donc des fibromes intracavitaires qui peuvent s'accoucher par le col aussi. Et c'est donc euh, les fibromes utérins qui sont le plus, euh, le plus fréquents chez une personne Oui, c'est fréquent chez les, les, femmes. Par rapport à la fréquence, on a à peu près 20 à 30, 20% euh, des femmes de 30 ans qui ont des fibromes et 50% des femmes de 50 ans qui sont porteuses donc de fibromes. Ça, c'est selon des études. Voilà. il peut se développer, il peut se voir chez des femmes obèses ou chez des femmes qui ont développé une, stérilité. Donc c'est fréquent, à peu près 27% des femmes comme ça. Quelles sont les, vraies causes de ces, de fibromes Quelles sont les causes Bon, les causes, comme je l'ai dit, euh, euh, les causes même, on ne connaît rien de l'étiologie sur les myomes utérins. Mais on a dit, on a parlé d'une expression myométriale, d'une hyperestrogénémie locale. Euh, au niveau donc de l'utérus. Mais sinon dire que voilà ce qui cause ça, euh, on ne peut pas, on ne peut pas dire ça. Mais il y a des facteurs favorisants. Vous avez euh, des fibromes de découverte fortuite, par exemple chez les femmes qui cherchent grossesse, donc infertile. Donc à l'occasion d'un bilan, on peut voir qu'il y a un fibrome qui est là, qui empêche la grossesse. Et donc c'est l'occasion de traiter. Il faut dire aussi que la plupart de, ces fibromes sont asymptomatiques, qui n'ont pas une expression clinique, qui ne, qui font ni mal, qui ne saignent pas et qui ne gênent pas. Mais le fibrome est là. Donc si on comprend, euh, les fibromes ne donnent pas de signes d'alerte si, si, il y a des signes. Maintenant, les fibromes qui donnent des signes. Quels sont les signes euh, par lesquels on peut reconnaître, euh, par exemple, un fibrome mhm. Voilà. Donc, c'est une patiente qui a euh, qui présente un fibrome, elle peut développer des métrorragies, c'est-à-dire des saignements, d'accord Donc, la femme peut saigner, les saignements qui ne s'arrêtent pas. Donc, c'est des ménométrorragies. Elle peut saigner régulièrement tout le long du, du mois et ce saignement peut favoriser l'adémie. Voilà. Le fibrome, on peut le diagnostiquer aussi à partir donc des de, c'est-à-dire des pertes blanches. D'accord On peut le diagnostiquer à partir de la douleur aussi que présente la patiente. La douleur à, quel niveau La douleur se situe surtout au niveau pelvien, et au niveau pelvien, donc le bas-ventre. On peut diagnostiquer le fibrome à partir, par exemple, d'une masse aussi, bon, il y a une masse qui se développe, une masse pelvienne qui se développe. Deux fois, il y a des, il y a des patientes qui pensent qu'elles sont enceintes, alors que en, réalité, ce n'est pas une grossesse, c'est un fibrome qui a mm-hmm. un, qui a un développement donc abdominal. Voilà. Donc, euh, les signes, vous avez donc les, saignements, les douleurs, les pertes. On peut avoir euh, la stérilité parce que ça peut être un motif de consultation et de découverte. Euh, on peut découvrir le fibrome à partir de là. Oui, le fibrome en tant que tel, comment il se présente C'est une masse, voilà, qui est de consistance euh, euh, dure, hein, dure comme ça, qui, qui est sur l'utérus. Maintenant, la position sur l'utérus, là, ça peut varier. Il y a des fibromes qui se développent plus à l'intérieur de l'utérus, donc ça saigne beaucoup là, ça saigne beaucoup. Mm. Il y a des fibromes qui se développent, qui ont un développement abdominal et qui peuvent donc comprimer soit la vessie en avant et euh, entraîner des troubles urinaires ou comprimer euh, le rectum en arrière et entraîner aussi des troubles euh, digestifs. chez bon nombre de femmes, on enlève jusqu'à 10 fibromes. Comment vous expliquez cela Quand ils se développent, ils se développent à partir du muscle utérin. Maintenant, vous pouvez avoir plusieurs noyaux sur l'utérus même, on peut avoir plusieurs noyaux, comme on peut avoir un seul noyau. Maintenant, tout dépend de ce qu'on trouve au niveau donc de, de l'utérus. Euh, ce qui permet de faire ce diagnostic, c'est l'échographie. Voilà, avant d'opérer, justement, on a un bilan qu'on fait. Donc, on fait une échographie qui nous montre la position des fibromes. Euh, et deux fois, donc, on peut décider même du type de l'intervention à partir de là. Voilà. Euh, quand vous avez une femme jeune qui cherche grossesse, donc généralement le traitement, <clears throat> c'est d'enlever les fibromes et de faire en sorte que, que la femme la puisse procréer. Mais quand vous avez une femme qui a déjà des enfants et qui est au-delà de 40 ans, 45 euh, ans, donc le mieux pour elle, c'est qu'on enlève tout l'utérus puisque le fibrome, il se développe à partir donc de l'utérus. Avant de d'évoluer sur ce sujet, je vous propose d'écouter cette euh, femme à qui on a levé un fibrome ici à Niamey. Elle a préféré garder l'anonymat. Elle nous explique ici comment le fibrome s'est développé chez elle et pourquoi elle a eu recours à une intervention pour la lever. On l'écoute. Il y avait de cela 9 ans seulement à lever mes fibromes. J'avais jamais su que j'avais ça. Il m'a fallu tomber malade une nuit, moi amené J'étais ah, à la clinique, euh, suite à des examens que j'avais su j'ai des fibres. Il n'y avait aucun signe, aucune douleur Si, si, si, j'ai des douleurs, j'ai des douleurs, ça, ça a tellement duré que je, est-ce que j'ai pas, j'ai pas, j'ai passé presque cinq ans, je crois, avec ces douleurs. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. C'était quel genre de douleur J'ai des douleurs abdominales. À part ça, il y a une aussi. Je, on dirait qu'il y a un conflit des états dans mon ventre suite à ces échographies qu'ils m'ont dit que des fibromes. Comme vous avez été en consultation, c'est automatiquement que le médecin vous a recommandé de vous faire euh, enlever ces fibromes Ils ont dit d'avoir l'avis de plusieurs spécialistes. J'étais à, la clinique maintenant, Après Mataba, clinique Alicia, j'ai fait euh, clinique La Ensuite, j'ai fini par clinique euh, Isaac dans une maternité centrale. Là-bas, ils m'ont dit que je ne veux même pas sortir sur place, ils vont me faire sur le champ. On me les fibromes sur le champ, j'ai les Et le lendemain, quand je suis retournée, c'est mon docteur. Il m'a dit qu'il le faut forcément ah une opéra, une césarienne les années. Les fibromes qu'on vous a élevés, c'était combien de fibromes Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Ce que je sais, c'était des gros fibromes online. Un saut c'est plein comme ça. docteur, euh, comme je le disais, pourquoi les fibromes sont euh, le plus fréquents chez les femmes Les fibromes, c'est euh, les femmes noires surtout qui le qui, Les femmes africaines. Les femmes africaines, voilà, qui sont le plus atteintes, trois ou quatre fois plus que les femmes européennes. Qu'est-ce qui explique cela Non, ça, ça c'est la race. On, nous, on ne sait pas ce qui explique ça. Mais c'est une pathologie beaucoup plus fréquente chez les femmes euh, de race noire. Ça veut dire que c'est une pathologie donc que nous voyons fréquemment ici au Niger. Donc, euh, dans ce cadre, la prise en charge donc, de ces femmes doit, être une de nos priorités. Euh, vous dites que ce sont les femmes entre 20 et 40 ans qui présentent ces fibromes, mais on constate aussi des jeunes filles de moins de 30 ans qui ont les fibromes. À partir de quel âge, généralement, on peut on peut avoir un fibrome. Bon, euh, comme nous avons parlé d'une expression euh, euh, myométriale due à une hyperestrogénémie locale, l'estrogène étant produit à partir de la puberté, ce qui veut dire que euh, avant la puberté, il n'y a pas de fibrome. Mais après la puberté, on peut voir donc un développement de fibrome. Ce n'est pas chez toutes les femmes qui ont 20, 30 ans qu'on a les fibromes. Par exemple, euh, une femme sur cinq, une femme africaine sur cinq, peut se voir euh, diagnostiquer un fibrome avant l'âge de 30 ans. Mais autour de 50 ans, vous avez à peu près une femme sur deux qui peuvent développer le fibrome. Maintenant, là où c'est intéressant, <coughs> c'est que les fibromes, ils ne sont pas tous parlants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une expression qui fait qu'il faut intervenir sur le fibrome. Si le fibrome ne gêne pas, on, le laisse tranquille. Il ne gêne pas comment Il ne fait pas mal, il n'a pas un développement abdominal, il n'est pas énorme, il, ne présente, il ne provoque pas donc des saignements. Donc à ce moment, euh, vous le laissez tranquille. La femme arrive à prendre ses grossesses et à accoucher. Il n'y a aucun problème, on la laisse finir ses accouchements. Et généralement, donc après la ménopause, comme il n'y a plus de production donc d'estrogène, il y a des fibromes qui ont tendance donc à régresser, voilà, et vraiment à devenir petits, donc ils ne sont plus alimentés, voilà. Les fibromes qui, gênent, vous pouvez avoir une femme qui veut une grossesse qui n'arrive pas à l'avoir, qui saigne beaucoup, donc euh, jusqu'à ce que son état même soit euh, critique, donc qu'elle ait besoin donc de transfusion, ou une femme qui a un gros fibrome, qui a un développement abdominal, donc qui peut comprimer certains organes. Donc en ce moment, donc euh, c'est des fibromes sur lesquels il faut agir. Maintenant, l'intervention, euh, le médecin peut euh, juger par rapport donc à l'aspect psychologique des femmes, par rapport à la topographie des fibromes, c'est-à-dire leur situation. Est-ce que si on les enlève, ça va permettre l'amélioration des conditions de vie de la femme, ou bien faudrait-il les enlever en même temps que l'utérus. Donc mhm. tout ça, c'est un jugement de foi. On peut... Euh, on ne décide pas. Le choix ne revient pas à la femme ou bien euh, on demande son consentement. La femme euh, peut donner son choix. Mais toujours est-il que, par exemple, avant l'intervention, avant l'intervention, on fait en sorte de dire, d'expliquer à la patiente, une fois qu'elle est endormie, si vous ne pouvez pas enlever les fibromes et laisser l'utérus, en ce moment, vous, donc, vous êtes obligé d'enlever l'ensemble. Donc ça, c'est une préparation psychologique que nous faisons. Euh, donc on explique déjà à la patiente, voilà euh, les conditions, on va aller pour enlever les fibromes, mais que si les fibromes ne peuvent pas être enlevés, donc l'ensemble est enlevé. Quels sont euh, les risques ou plutôt les complications du, fibrome chez, les femmes bon, Les risques, euh, le gros risque, vous avez des, fibromes qui peuvent se nécroser, à euh, qui peuvent se nécroser, c'est-à-dire qui, peuvent s'infecter sur eux-mêmes. Donc en ce moment, ça fait très mal. Donc vraiment, il faut opérer pour enlever les fibromes nécrosés la stérilité. Une femme qui veut qui, cherche grossesse, qui n'arrive pas à avoir, un diagnostic, un fibrome. Donc le mieux, c'est d'enlever le fibrome pour voir est-ce que il y a, est-ce qu'elle peut accoucher, est-ce qu'elle peut prendre une grossesse ou pas. Voilà. Bon, on n'a pas rapporté de cas de transformation de fibrome en cancer. C'est très rare. Euh, la patiente peut développer les deux. Ça, vous pouvez avoir un cancer du col qui est associé à, des fibromes. Mais dire que le fibrome en lui-même s'est développé en cancer, donc nous n'avons pas quand même euh, rapporté, donc euh, on n'a pas eu des cas comme ça. Quoi. Mais est-ce qu'on peut dire que le fibrome, euh, il est dangereux ou pas Est-ce qu'il tue Bon, le fibrome ne tue pas, <laughs> mais les complications qui peuvent, qui en découlent, peuvent quand même mettre euh, en danger la vie de la femme. Je vous propose une fois de plus euh, d'écouter euh, cette femme à qui il a été enlevé des fibromes. Elle nous explique comment elle se sent après qu'on lui ait enlevé ce fibrome. après l'intervention, ils m'ont mis sous traitement. Je prenais des produits, de médicaments. Et vous dites, il y a de cela neuf 9 ans qu'on vous a enlevé ce fibrome. 9 ans. vous êtes mariée maintenant Je suis mariée. Je suis mariée depuis 7 ans. Je n'ai pas d'enfant à, à part fibrome, ils m'ont enlevé encore des tiques. C'est les tiques et fibrome là qui m'empêchent d'avoir un enfant. À, la date d'aujourd'hui, quel, quel genre de traitement vous suivez Je me suis traitée dans plusieurs cliniques avec différents docteurs. Puis j'ai à voyager, j'étais à même pour une intervention aussi. Mais jusque-là, euh, Dieu ne vous a pas donné d'enfant. Là, oh, <laughs> je suis à l'attente. Oh, je suis calme et sereine. <laughs> je sais que ça vient de Dieu. Mhm, ça vient de Dieu. Le jour où il va décider de m'en donner, après la fin de mes souffrances. J'attends. J'appelle aux femmes d'aller faire des consultations d'abord. Après les consultations, les docteurs vont les recommander de faire des échographies. Puisque pour moi, c'est assez compliqué, je crois bien que c'est il y a une part de responsabilité du moment où je me suis négligée moi-même, que je peux faire deux ans, trois ans sans aller après l'intervention, euh, qu'est-ce que doit faire la femme après l'intervention Donc, euh, après une myomectomie, parce qu'il y a deux types d'interventions euh, pour parler terre à terre. On peut opérer, enlever les fibromes, ce qu'on appelle myomectomie. On peut aussi opérer et enlever l'ensemble, les myomes et, l'utérus. Ça, c'est une hystérectomie. pour ce qui est de la myomectomie, Toujours après une intervention, donc, ce qu'on conseille aux femmes, c'est le repos. Le repos sur. Euh, parce qu'il ne faut pas que, après une intervention, que la femme puisse tomber enceinte très rapidement. Donc, il faut qu'elle se repose. bon, si c'est une hystérectomie, donc là, c'est juste la convalescence liée donc à l'acte opératoire. Donc après euh, un mois après, en principe, donc tout rentre dans l'ordre et la femme guérit sans problème. Docteur Moudi, vous êtes euh, chef euh, du service de gynécologie, cancérologie à la maternité Isaac Gazobi. Et nous savons que à la maternité, euh, nombreuses sont les femmes qui se font opérer là-bas. Dites-nous comment ça se passe là-bas. On n'a pas que le fibrome comme pathologie, d'accord Vous avez d'autres pathologies, comme vous l'avez cité, vous avez les Christ, vous avez les, pathologies des, des seins et vous avez la césarienne aussi. Voilà, donc ce qui fait que chaque semaine, il y a un programme opératoire qui est fait au niveau donc, de la maternité. D'accord Et c'est au niveau de ce programme, donc les patientes qui doivent être opérées dans la semaine sont incluses dans ce programme. Voilà. Euh, maintenant, il y a en fonction, euh, par, euh, en fonction des, patientes recrutées. Donc, chaque médecin qui recrute sa, patiente, normalement, donc, il la met au programme et il l'opère dans la semaine. Donc, on peut avoir plusieurs types de, femmes. Par exemple, vous avez les fibromes, les kystes, les, les cancers de, col, du sein, tout ça. Et vous avez les prolapsus aussi, c'est-à-dire que les, les utérus qui tombent dehors. Donc, c'est des pathologies vraiment qui sont très fréquentes euh, chez nous. Bon, En plus de, de, de, de programmes opératoires, euh, le travail premier, quand même, c'est de sauver les femmes. Donc, c'est de faire les césariennes d'abord. Voilà. Mais, euh, comme tous les services, quand même, la maternité rencontre des problèmes. C'est l'exécuter des locaux, comme vous l'avez vu, Et ce qui ne nous permet pas. Des fois, on peut faire un mois sans faire un programme opératoire parce que les femmes qui nécessitent la césarienne occupe le bloc opératoire, ce qui fait qu'on diffère les programmes opératoires. Cette intervention, elle n'est pas gratuite euh, au, euh, à la maternité Non, elle n'est pas gratuite. Ce n'est pas comme les, la césarienne ou la prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires, qui, eux, sont gratuits. Euh, mais ce n'est pas si cher que ça. Voilà, donc une femme avec un revenu moyen peut souffrir une euh, intervention gynécologique à la maternité Sargazoui. Comparativement aux années précédentes, est-ce que cette année vous avez eu à intervenir sur beaucoup de, femmes Bon, les statistiques que nous avons euh, au, premier, au premier trimestre déjà 2017, donc on a à peu près, on a opéré à peu près 49 fibres au premier trimestre. Comparativement aux années précédentes, ça a... augmenté ou bien diminué comparé au premier trimestre 2016, il y a une nette progression. progression euh, dans quel sens euh, Bon, les, nombres de patientes opérées ont augmenté. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas, pas le, problème des femmes. C'est-à-dire que les femmes sont là, mais c'est le problème de, de, place surtout que nous avons. Voilà. Sinon, euh, la demande est là. Mais vraiment, des fois, on est confronté au problème de place, ce qui fait que nous n'arrivons pas à, euh, euh, faire les deux, c'est-à-dire faire les urgences obstétricales qui, elles, elles sont vraiment urgentes, qu'il faut les opérer et faire le programme opératoire. Docteur, une fois après l'intervention, une femme à qui on enlève ses fibromes, est-ce qu'elle est totalement hors danger Aucun risque euh, d'un quelconque développement du fibrome ça, ça aussi, c'est notre aspect du fibrome. Il y a des femmes chez qui vous enlevez un fibrome et qui reviennent un an, deux ans après, qui ont encore des fibromes qui, sont réapparus. Qu'est-ce qui explique euh, cela C'est toujours l'expression myométriale d'une à une hyperestrogénémie locale. Comme je vous l'ai dit, ça c'est technique. Mais dire que voilà, l'étiologie claire, elle on ne connaît pas. Euh, mais c'est fréquent chez la femme noire. Et quand, quand vous opérez un fibrome, c'est-à-dire que tout n'est pas fini. Les fibromes, vous pouvez ne plus voir de fibromes, mais il y a des chances que le fibrome réapparaît. C'est ce qui fait que, bon, la raison pour laquelle on opère un fibrome au début, euh, s'il réapparaît, est-ce que est-ce que c'est les mêmes complications du début ou bien c'est d'autres complications qui surviennent Dans tous les cas, on opère un fibrome une fois, deux fois, ça récidive, donc le mieux c'est d'enlever donc la source, ça l'utérus. L'utérus complètement. Complètement. Et donc, comment faire pour éviter carrément le fibrome Là, on ne peut rien. On ne peut pas faire quelque chose pour éviter un fibrome. Puisque quand ça vient, bon, ce qu'on peut, c'est la surveillance. D'accord L'utérus ne doit pas être au repos pendant très longtemps. Comme j'ai dit, euh, euh, la nature a horreur du vide. Si euh, l'utérus ne prend pas les, grossesses, hein, les grossesses, donc euh, la nature a tendance à remplacer ça par des fibromes. ces fibromes, euh, est-ce qu'ils peuvent rendre stérile la femme Oui, tout à fait. C'est vraiment un motif de consultation, euh, la stérilité. Et beaucoup de femmes viennent en consultation pour une infertilité et à l'occasion du bilan, donc, vous découvrez que c'est un fibrome qui est à la base. Et en ce moment, donc, vous programmez pour opérer le fibrome. Pour avoir une chance parce que ce n'est pas le fait d'enlever le fibrome aussi qui va dire que bon, elle va tomber enceinte, mais beaucoup de fibromes empêchent la grossesse. Donc quand vous les enlevez, vous voyez que euh, après il y a des, grossesses qui surviennent. Oui, avant euh, de, faire recours à l'intervention, euh, on voit certaines femmes à qui on prescrit des médicaments. C'est vrai, on a parlé du traitement chirurgical très vite, mais il y a le traitement médical aussi qu'on peut mettre en œuvre. Bon, le traitement médical ne veut pas dire que euh, le fibrome va disparaître. Quand vous êtes sous traitement médical, ça ne veut pas dire qu'il va disparaître. Peut-être vous pouvez calmer son développement un certain temps. Et puis, comme je l'ai expliqué aussi au début, cest que les fibromes qui, arrivent, il y a des fibromes qui arrivent à, la ménopause et qui regressent et qui ne sont plus expressifs. Parce que c'est quoi qui entretient donc le, le fibrome C'est l'œstrogène qui est produit euh, par les ovaires, donc par la femme qui est en activité. Et une fois la ménopause, donc il n'y a plus cette activité, donc les fibromes peuvent régresser. Maintenant, le traitement médical, euh, peut faire un traitement symptomatique aussi, parce qu'il y a des fibromes qui se compliquent d'infection, donc de nécrobiose. Là, il faut donner des médicaments pour que la douleur la cesse et en même temps donc programmer pour enlever les fibromes. Et il y a certaines femmes aussi qui présentent l'anémie. Voilà. Donc il y a des femmes qui saignent aussi. Donc ces femmes qui saignent et on, a, on donne des progestatifs donc pour essayer donc euh, d'arrêter le saignement et pour que l'organisme euh, donc euh, puisse reprendre. c'est des traitements symptomatiques. C'est pas des traitements pour vraiment éradiquer le fibrome généralement, quels sont les médicaments qu'on préconise à ces femmes de prendre Bon, c'est les progestatifs. Comme je l'ai dit, les, oestrogènes peuvent entraîner une augmentation du euh, développement du fibrome. Donc, ce qu'on donne, c'est les progestatifs qu'on donne régulièrement au cours du cycle. Donc, par exemple, du 5e au 25e jour du cycle, on peut donner un comprimé par jour. Ou chez une femme qui cherche grossesse et vous voulez et régler son cycle menstruel. Donc, à ce moment, ce médicament est pris donc du 16e jour au 25e jour du cycle. Les médicaments, euh, il est important quand même, quand vous savez que vous ne pouvez pas opérer la femme euh, séance tenante ou à, moyen terme même, de la mettre sous traitement médical euh, pour essayer donc de calmer les symptômes. Un des aspects que, que nous rencontrons aussi, c'est les cas de fibromes et grossesses les, grossesses peuvent apparaître aussi sur un utérus qui porte un fibrome. Et en ce moment, donc, on ne fait rien, on regarde. On surveille la grossesse. Il n'y a pas de conséquences euh, sur la santé de la femme et de l'enfant Les conséquences euh, sur la santé de la mère, c'est surtout quand le fibrome est gros, il a un développement abdominal, donc il peut occuper une place importante. Et là, la femme n'est pas très à l'aise. <clears throat> Maintenant, sur la santé de, l'enfant aussi, si le fibrome occupe toute la cavité utérine, donc l'enfant n'a pas de l'espace pour, pour, bien croître. Donc là, c'est vraiment un autre problème. le problème que, a, je vais profiter pour expliquer ici aussi, c'est par exemple dans la prise en charge. Généralement, le fibrome n'indique pas la césarienne, sauf si par exemple, il est situé donc à un endroit où la femme ne peut pas, ne peut, pas accoucher d'elle-même. Donc, en ce moment, vous programmez votre césarienne à, terme, vous enlevez l'enfant. Et là où les femmes nous posent beaucoup de questions aussi, c'est de dire ah, pourquoi ne pas profiter pour enlever le fibrome. en même temps. En, même temps. ce moment, c'est plus dangereux. Comme le fibrome se développe sur le muscle utérin, et en ce moment, au cours de la grossesse, donc il y a les vaisseaux qui sont très gros, qui alimentent donc l'utérus. Ils sont bien. Dès que vous incisez sur le fibrome, euh, le sang coule. Donc c'est pour ça que, par exemple, nous, si ce n'est pas un fibrome qui est sous qu'on peut enlever sans problème, qui ne peut pas faire saigner, donc on ne touche pas. On préfère laisser. Maintenant, quand la femme va finir la période de purpéralité, c'est-à-dire que tout redevient à sa place et on la programme pour une intervention. Merci, docteur. Nous poursuivons ce forum euh, pour en venir à la question des kystes. Docteur Moudi, les kystes, qu'est-ce que c'est Bon, les kystes, euh, c'est aussi donc des formations. Euh, des, formations qui se développent donc au, au dépend de l'ovaire. D'accord Donc, quand on sait que l'ovaire euh, chez la femme, euh, il y a deux ovaires, de part et d'autre, donc de l'utérus. Et euh, la structure de l'ovaire aussi, elle est un peu particulière, parce que comme je l'ai expliqué par rapport au, au, voilà. Donc, il y a plusieurs parois. Ce qui fait que quand on parle de kyste là, c'est vraiment c'est au niveau de l'ovaire. Là, ce n'est plus l'utérus, on a quitté l'utérus, mais mhm. on est au niveau de l'ovaire. Le kyste euh, ovarien est-il dangereux chez une femme Est-ce qu'il est aussi euh, objet de stérilité chez une femme Bon, nous, on a un adage. Hein. Tout kyste diagnostiqué doit faire l'objet d'investigation. Voilà, parce que euh, vous allez faire des investigations pour écarter des pathologies graves, comme les cancers. Mais sinon, en, principe, donc, vous avez plusieurs types de kystes euh, les kystes qui sont liquidiens, semi-liquidiens ou des kystes dermoïdes. Donc, euh, toute formation kystique que vous voyez, donc vraiment, il faut faire un bilan pour pouvoir l'enlever et faire l'anapath, c'est-à-dire euh, demander une expertise pour qu'on nous confirme si c'est un cancer ou si c'est pas un cancer. Est-ce que les kystes, ont, une cause Oui, les, kystes peuvent, ils ont plusieurs causes. Il y a les causes hormonales hormonal, expliquez en profondeur. Euh, oui, c'est-à-dire que vous avez euh, des, les, les estrogènes, les qui sont produites donc, au niveau donc, de, de l'ovaire. Euh, c'est un cycle. L'ovaire, il faut dire d'abord la, fonction, puisque lui, il produit, l'ovaire en lui-même, il produit les oestrogènes et la progestérone, plus les ovules. Voilà. Mm. Maintenant, au cours de, cette, de ces fonctions-là, vous pouvez avoir plusieurs euh, pathologies au mm-hmm. niveau donc de ce ovaire-là. Soit l'ovaire, euh, il va pondre son œuf et en ce moment, donc, vous avez donc, euh, la paroi qui s'enferme sur elle voilà sur elle-même et voilà et ça commence le début donc du kyste commence. Donc, ils, ils peuvent avoir des kystes qui interviennent donc au niveau donc de la de la séreuse. Séreuse, c'est quoi euh, La membrane qui tapisse donc le qui tapisse donc l'ovaire. Voilà. Donc généralement c'est à ce niveau que tout survient. Voilà, parce que vous avez des, des follicules au niveau de l'ovaire. Quand je parle de fonction de l'ovaire, vous avez la production donc des, des ovules, c'est-à-dire l'œuf même qui va, qui rencontre celui de l'homme là pour donner une grossesse. Donc il y a l'ovaire produit donc ces ovules. Maintenant, au cours du, avant la production de ces ovules, vous avez plusieurs follicules qui rentrent en maturation. Les follicules, c'est des petites formations qui, se, qui rentrent en maturation et qui progressent jusqu'à vous allez avoir un gros follicule qui va donner, euh, qui va pondre, qui va pondre son œuf. Et maintenant, ce qui reste là va être le corps jaune. Bon, on a des des kystes, des follicules qui peuvent se développer. Maintenant, ces follicules quand ils se développent, euh, il faut être très prudent parce que tant que euh, il le kyste ou le follicule n'est pas aussi grand, donc on ne dit pas qu'on va l'enlever. Voilà, on fait un traitement médical en ce moment. Le traitement médical consiste à quoi C'est de, de mettre l'ovaire au repos pour qu'il n'y ait pas production donc d'ovules ou d'estrogènes, euh, machin. Donc vous mettez le, verre au repos pendant un mois, deux mois, et généralement vous faites un recontrôle pour voir le kyste là, il s'est développé ou il ne s'est pas développé. Oui, docteur, euh, une autre forme de kyste euh, qui est fréquente chez les femmes, c'est le kyste mammaire. Parlez-nous un peu de ce kyste avant de, de, parler de kyste mammaire, c'est de dire que toute femme, toute femme qui est en période d'activité génitale, voilà, chaque fois après les règles, il faut qu'elle palpe les seins pour voir, pour voir si elle sent un nodule ou si elle ne sent pas de nodule. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, euh, un aspect de prévention donc du cancer de sein. Le deuxième aspect, toute femme qui vient en consultation gynécologique ou même qui vient en CPN, euh, les seins doivent être examinés. Parce que quand vous diagnostiquez une petite masse, une petite masse au sein, vous avez plus de chances d'enlever la masse, de l'examiner, de voir si c'est un cancer ou si ce n'est pas un cancer. Parce que tous ces aspects dont je parle, à un certain moment, c'est la lutte contre le cancer. La femme finit sa période d'activité génitale, mais on doit aussi mettre l'accent sur la lutte contre le cancer. Donc, un kyste du sein ou un, nodule du sein diagnostiqué, très petit. Donc, on fait l'investigation, on va voir si c'est un cancer ou si ce n'est pas un cancer. En ce moment, euh, on, peut, on peut dire on fait la prévention. Une dernière question, euh, docteur. Les fibromes, les kystes qu'on enlève chez les femmes, que deviennent-ils après euh, Les fibromes, les kystes qu'on enlève, on ne les jette pas il est très important que quand vous enlevez tout ce que vous enlevez, que vous soumettiez la pièce en anapathie. C'est-à-dire qu'il y a des gens à côté aussi qui ont étudié euh, l'anatomopathologie, donc euh, qui voient les organes que vous leur envoyez. Est-ce que ces organes-là, c'est des organes qui sont cancéreux ou bien c'est des organes qui sont bénins Donc si vous avez donc déjà un organe cancéreux, donc vous mettez en œuvre le traitement contre le cancer aussi. Et si vous avez un organe bénin en ce moment, donc vous félicitez la femme, puis euh, vous lui souhaitez une bonne chance. Docteur, pour finir, euh, quel conseil euh, aux femmes, quel conseil vous pouvez donner aux femmes Bon, le premier conseil aux femmes, aux agents de santé aussi, le premier conseil aux femmes par rapport aux fibromes, moi je dis que la nature a horreur du vide. Ça veut dire qu'un utérus qui ne prend pas de grossesse est, vite remplacé par quelque chose. Et ce quelque chose-là peut être un fibrome. Euh, donc, toute femme euh, autour de 30 ans machin, doit faire son propre bilan pour voir euh, son propre bilan, ça c'est surtout sur le plan social, quoi. Voilà, pour essayer donc de combler cette, cette vide de la nature. Maintenant, l'autre conseil aux gérants de santé, euh, on n'examine pas cliniquement nos femmes. Et puis, on est rapidement porté sur l'échographie. Rapidement, l'échographie va avoir un petit fibrome. Et rapidement, on va venir dire il faut qu'on l'enlève. Et tant que, dès qu'on parle de fibrome ou de kyste à une patiente, donc pour la rassurer, ça vous prend du temps. Alors que ce n'est pas tous les fibromes qu'on enlève. Et ce n'est pas tous les kystes qu'on enlève. Il y a des kystes qu'on peut traiter. Il y a des fibromes qui, qui ne gênent pas et qui ont besoin d'un traitement médical. Merci docteur. C'est sur ces conseils pratiques que se referme ce forum euh, du studio Kalangou. Nous étions avec docteur Lawali Shekaro Mahmoudou, chef de service gynécologie cancérologie à la maternité Isaac Gazobi de Niamey. Merci également à la citoyenne, à la patiente pour son témoignage. Merci à nos auditeurs et auditrices euh, et à bientôt pour un, nouveau numéro du forum du studio Kalangu.